kon alors ñaareel bi nga ne nañ ko gannaaw changement climatique bi la xam nga tubaab dafa gouverner c'est prévoir gouverner c'est prévoir mais que nous ne lépp les bêtes, c'est pourtant ci jamono ay weer ci gannaaw organisme yu nekk Afrique yëpp di caytu mbirum climat ak mbirum environnement avertiroon nañ ni euh, nawetu ren bi dina métti boo seetee ci euh, organisme yu wax am na lu ñuy wax centre régional Agrimet boo xam ne SILS la waa SILS ñoo ko bokk am na le centre africain pour les applications de la météorologie au développement li ñuy wax SMNH Nous avons des pays africains de l'Ouest et Tchad ñoo les organisations des bassins avec la collaboration de l'organisation météorologique mondiale Nous avons, depuis avril 2020 la une note de prévision saisonnière caractéristique agro de la saison des pluies pour les zones soudaniennes et sahéliennes Nous avons waxoon nañ ko ah, attention ñi ngi dugg ci benn cycle boo xam ne dañuy li ñu li ñu amoon diggante 1981 ak 2010 loolu mooy dellu si waat jamono jooju ba léegi ñoom lan la ñu prévoir lan la ñu préparé xam nga liy dëgg ba dëgg mooy amatul les moyens de sa politique c'est-à-dire si si lii nga xam ne moom la moom la ñu mobiliser bu li ko manqué pour mu egg ci les 750 milliards. daanaka ëpp na 500 milliards 500 milliards Macky Sall mënatu ko am ndax leb naa leba leba leb ba ay laafam tooy te lebi bis bu Macky Sall jógee Sénégal ba ba ñu auditer gestion ba génne li fi nekk yépp man jàpp naa ni Sénégal yi <laughs> dina dina métti digganteem ak Sénégal yi leb naa leba leb ba amatul amul capacité fiscale bu muy mobiliser des ressources fii ci biir réew mi parce que yàq nañu administration yi doon liggéey ci wàllu mobilisation de ressources yépp

yooyu ñuy wër di leen distribuer ñu ñu fagaru woon bala ba ba musiba yi bañ a am moo ëppoon solo te Macky Sall talu leen deful lim ci war a def kon ñooñu ñëpp annoncé woon ni lii dina am ANACIM ci bi nga xam ne ñun moom moom la moom lañu bokk ñun di ko suivre te ñuy def suñu bulletin météo annoncé woon teel nañu annoncé ni hivernage ren bi sera un hivernage exceptionnel Macky Sall toog pale en bon lion dormeur di nelaw.

am na risque bu kawe kawe kawe kawe ñu am invasion agricole mooy soccantal yi njéeréer nga xam ñun bi ñuy nekk daan nañ ko am daan nañ ko gis gëjoon na fi nag nee ne Afrique de l'Est ak Kenya ñoo ngi dox di ñëw suñu boor yi te boo moytul un nañoo yàq suñu récolte yëpp su dee ñooñu nag dañoo waxoon ni taw bi dina mel nii ñu gis

avons une invasion acridienne Nous avons laaj que gouvernement nous laaj leen yéen Nous bu que nous avons pour ñu parce que nous, avons ni mu ci réewu que nous ba sonal bi Nous la fait. ci avons bi nit bay mbay il faut ñu fexe ba mu pour que nous bañ ñoo dal problème mu Sénégal ak problème mu Macky Sall moo tax ñu ñu jàpp ni ci jamono jii ñu toll li mu defoon 2012 bi muy doog si biir inondation amee dafa ne Sénat bi fi ne woon tas na ko noonu la ñuy exiger ci jamono jii ñu toll yi fi nekk yëpp te amuñu benn njëriñ ci réew wallaahi kenn mënu ma wax conseil économique et social lan lay njëriñ ci Sénégal kenn mënu ma ko wax je n'ai contre ñi fa ne nag man principe laay dox waaye lan la jëriñ kan moom mës a toog ba ne lii la fi conseil économique social def loo xam ne mën naa ne njëriñ su dee assemblée nationale moo fi amul njëriñ ci nii mu foog mu mel actuellement lan la HCCT am ban njëriñ la am ci réew mi HCCT HCCT man musuma dox ba gis ñu ne lii la HCCT liggéey ci réew mi lu dul ay séminaire ak ay séddoo kër jëm ay au conseil du dialogue social xaw ma lan yooyu yàlla fi jëriñ yooyu yëpp Macky Sall dafa war a am yërmande ci askan wi seddoo politiciens yi ñu nekkee il faut ma créer tel post parce que war naa jox sama tel allié post ba dara new fa nga def fa ay milliards ñuy seddoo 16 milliards ci bii 8 milliards ci bële 4 milliards ci bii ñuy seddoo yooyu yëpp da ko war a tas peuple da ko war a exiger xaalis googu ñu jël ko dem jàppale ñi nekk ci mbënd su dee nag. am nañu sañ-sañ ne nag dañu war a tas ay organisation yu am ba pare waxatuñu kon ñu naan dañuy créer ay poste pour sexal ay nit ay tàndarma tey war nañu am décence ñun acteurs politiques yi ba kenn warul ñëw taxaw ne jox leen ma chef de postion avec un budget ku bëgg chef de l'opposition nag pour titre bi jëlal waaye ay 2 milliards ak ay 1 milliard nangam-nangam ci turu lan séddoo boobu te boobu askan waa ngi souffrir boobu xeetu politique daf ko war a jeex am na ñoo xam ne jàpp nañ ni politique jouissance rek la mooy naa nax naa fexe rek ba kole ci état bi man daal sama diggante bi may xàmme ba may dee moo tax di nga gis ku dem ba mënatul dox di xëccoo ay poste bi may xàmme ba may dee moom naa nekk ci état rek ñu may jox ay post di ma jox ay oto di ma jox euh, ay ay ay ay caisse caisse noire ay même caisse noire yi muy bu Moustapha Niass muy bu Macky Sall muy bu Ousmane Tanor Dieng yooyu yëpp dañ ko war a jël dem verser ko pour régler problème mu ñi nga xam ne ñu ngi ci mbënd mi. ba tey nag ci cadre boobu ba léegi dama jàpp ni décence dañuy wax décence mooy orma warul may kenn ci réew mi mu taxaw ubbi génne gémmiñam naan troisième mandat troisième sax. ku ko wax dañu la war a fëgg ci kaso bi gis nga euh, président Niger bi Mouhamadou Youssouf bi ay jeunes yu ne ci moom la bokk bu ñu jógee naan troisième mandat dañ leen yóbbu justice te actuellement ñu ngi ca kaso bi ku ñu dénk réew juróom-ñaari at te nga ne woon juróom lay def defoo fi tous dara dul nelaw munoo andi bilan ci emploi munoo andi bilan ci santé munoo andi bilan ci éducation amul benn secteur boo mun a andi bilan nga ñëw bu Xumsay élection am victoire technique ne jëlaat naa pour juróomi at juróomi at yooyu léegi ñaari at walla euh, romb ci waaye gis nga moo tax di olof naan sàcc ndënd yomb na waaye foo koy fëggee bi mu toogee ba léegi musiba sur musiba problème yi du jeex kooku warul toog sax ba ci gént gént keroog ñu ngi maa woowee benn vidéo benn waaye bu tëdd di nelaw di gént ba daanu ci ndox mi ndekete mi ci inondation moom su géntoon ba daanu sax ci troisième mandat dafa war a xam su yeewoo dafa war a xam ni ndekete liy gént la woon. kon moom ay ñoñam sax yi dem ci plateau yi wax troisième mandat dañ leen waroon fëgg rëbës parce que ay pyromane lañu au delà de l' aspect constitutionnel ay pyromane lañu moo tax ñun ñu ngi engagé toute la population sénégalaise. parce que c'est l'avenir monétaire en jeu jusqu'à quand vous allez laisser ces prébandiers de l'état là qui défendent le nerf Qui A ou qui B qui n'y wala ci nele 2024 Macky Sall ne sera plus président du Sénégal Normalement, ne ne 2024 il ne sera plus président du Sénégal mu nous allons rendre compte Les les nit sont intermédiaires waaw il faut il faut rassurer waa il faut ngeen rassurer ko ba nga dem waaye rassurer on a personne à rassurer ku nekk tu rendras compte de tes actes personne rassuré wuñu kenn te négocier wuñu kenn tamit opposant bu yaakaar ni pouvoir da koy négocier ndax nga sa bopp fay fokkati Abdoulaye négocier le pouvoir Macky Sall négocier le pouvoir peuple bi mooy tranché mooy décider du ay combine ak ay deal ak yooyu mooy joxe pouvoir dañuy nax seen bopp ñun li gëm on est des opposants on fait face à ce régime on le boucle d'or et on met en place le système qui va sortir ce pays de ce gouffre on négocie avec personne du gouvernement moo ñu intéressé du gouvernement ak Macky Sall moo ñu intéressé C'est dara intéressé wu bu dul woon corona avec les fi xewoon man peut-être passation de service dañuy nuyonte ndax mosuñu woon gisante kon loolu ñu leeral ko euh, lii daal ci gàttal mooy li ñu bëggoon wax di ko faram-fàcce ci lu gàtt nag ci français bi ndax jàpp nañ li ëpp ci sénégalais bu ñu waxee wala sénégalais bu ñu waxee wolof xam nañ ni ñu wax ba bi kon pour suñu mbokk journaliste yi seen édition français ñu gàttal ko tënk ko euh, di wax ni Nous avions convié la presse à ce, cet échange ce matin, à cette conférence de presse, qui a été précédée par un déplacement sur le terrain, notamment dans les zones inondées du département de Pékin et particulièrement de Kermassa. Déplacement que nous comptons réitérer, aussi bien à Dakar que dans les régions, parce qu'il y a beaucoup de régions qui sont inondées et qui sont malheureusement oubliées, puisque le président Macky Sall, hier dans son adresse à la nation, n'a même pas fait allusion aux régions. Et pourtant, les inondations datent de bien, bien plus longtemps, puisque dans certaines zones, depuis le, mois de juillet, euh, les populations, une bonne partie des populations sont sous les eaux. C'est vrai, nous ne pourrons pas faire toutes les zones, mais nous essaierons d'être auprès des, des compatriotes impactés par cette situation, d'autant qu'on nous annonce une pluviométrie qui risque, en tout cas de s'étaler encore, sur quelques temps, quelques jours ou quelques semaines, et ce qui risque d'aggraver euh, la situation de, de ces compatriotes. Nous présentons nos condoléances aux familles qui ont perdu des, des membres avec les accidents survenus. Nous souhaitons bon rétablissement à tous ceux qui sont blessés. Et dire nous avons fait des constats qui nous ont émus et qui en même temps ont suscité euh, un sentiment de, dégoût par rapport à la manière dont ce pays est géré par Macky Nous avons été à Kermassar nous avons trouvé des populations sous les eaux. Certains ont quitté, ceux qui pouvaient avoir un refuge ailleurs. D'autres sont restés chez eux parce qu'ils n'ont nulle part où aller et dans des conditions dramatiques. Faisant leur course dans ces conditions-là, se mouvant dans les eaux et quelquefois étant plus ou moins aidés par euh, des volontaires qui ont de petites embarcations, comme si on était euh, à Venise ou je ne sais où. Je rends hommage également, puisque je ne l'ai pas fait dans la version française, au corps des sapeurs-pompiers que nous avons trouvés sur place, qui fait un travail extraordinaire et les populations euh, les ont largement remerciés puisqu'ils travaillent de jour comme de nuit et dans des conditions extrêmement difficiles, puisque l'argent du pays est affecté ailleurs à des dépenses qui ne sont pas des priorités. Il est partagé partiellement par des politiciens. Il bénéficie beaucoup plus à l'étranger qu'au fils du pays. Et donc, même ces corps qui sont d'un apport extraordinaire à ce pays travaillent dans des conditions de dénuement total, même pas de tenue. On les a trouvés en survêtement, en sous ce qui est, ce qui est dramatique. Donc, nous marquons une fois de plus notre compassion silencieuse et nous lançons un appel à la solidarité nationale. Je crois que face à la faillite d'un État irresponsable, dirigé par un homme incompétent, il ne reste que le levier citoyen, social, patriotique pour essayer de compenser. Nous l'avions dit ici avec euh, le corona, euh, quand l'État a quitté le navire, nous le réitérons c'est la solidarité patriotique entre concitoyens qui peut aider à soulager les gens. Et il faut y aller partout les moyens. Ceux qui ont des moyens financiers n'ont qu'à aider. Il y a des comités euh, euh, de gestion de ces, de ces questions sur place. Les gens peuvent mobiliser des fonds et le, remettre de manière tout à fait transparente. Ceux qui ont des, moyens matériels euh, des équipements, euh, des, couvertures, etc. Tout ce, que les, qui est disponible, ils peuvent aider en même temps. Et ceux qui peuvent faire don de leur euh, capacité physique en allant participer aux travaux d'évacuation des eaux. En lançons cet appel-là à tous les Sénégalais et particulièrement, singulièrement, aux militants et aux militantes et même aux sympathisants de notre mouvement politique, puisque le pacte que nous avons signé avec eux le bail que nous avons signé avec eux et la formation que nous essayons de leur inculquer, c'est de voir la politique autrement, c'est de démarchandiser la politique et de considérer que c'est à nous d'apporter à notre pays et nous devons cesser d'attendre tout de notre pays. Et ça, ça passe par un engagement volontaire. Nous l'avons expérimenté avec vous dans le cadre des dons de sang et euh, il y a eu un afflux massif de l'ensemble des couches, jeunes, vieux, hommes, femmes du parti qui ont pu doter les banques de sang, et nous allons réitérer ça dans quelques semaines parce que c'est bientôt trois mois. Nous l'avons expérimenté également avec la notion des vacances agricoles patriotiques, et vous y avez répondu massivement en prenant des initiatives vous-même, sans recevoir de financement ni du parc ni de l'État, pour faire des centaines d'hectares à travers le Sénégal. Nous lançons ce même appel à la solidarité nationale. Vous l'avez déjà commencé, nous voyons sur le terrain, mais nous vous demandons de faire encore mieux et encore plus pour démontrer une autre facette d'engagement pour son peuple. Ceci dit, je tiens à dire aux Sénégalais que ce qui s'est passé hier, la sortie de Macky Sall, était une farce d'État. Puisque le président Macky Sall a voulu se réfugier derrière le changement climatique. En soi, il n'y a même pas de changement climatique. Si vous regardez la pluviométrie, il est tombé euh, approximativement à Dakar 93 mm le samedi. Et le cumul à cette date, c'est-à-dire le 7 septembre, était de 342 mm. Mais 342 mm, ce n'est pas de la pluie. 342 mm, comparé, comparé aux, 1600 mm de Cap aux 1500 mm de Ziguinchor, ainsi de suite. Ce n'est pas de la pluie. Et faire des comparaisons en disant que il y a des inondations même dans les pays développés. Vous savez, dans ces pays-là, pour qu'il y ait inondation, il faut qu'il y ait soit des pluies diluviennes étalées sur ce qu'on appelle des ouragans, des orages. Il n'y a pas encore d'ouragan et d'orage à Dakar. S'il y avait un ouragan, Dakar serait supprimé de la carte du Sénégal. Il y a le Il faut qu'il y ait de fortes précipitations qui entraînent part la rupture d'ouvrage, de digues ou de barrages pour qu'on parle d'inondation. Allez en Chine, allez aux États-Unis, c'est les typhons, les ouragans qui ravagent Haïti, qui continuent pour aller vers les États-Unis, qui amènent ces situations. Mais 93 mm, on dit qu'il y a inondation. Il n'y a pas encore une pluviométrie exceptionnelle. Il faut qu'on arrête de gober ces, ces, là La réalité, c'est qu'on a un déficit d'investissement sur les infrastructures, euh, d'assainissement, et ça je vais le démontrer par les chiffres, la deuxième chose, c'est qu'on a une urbanisation sauvage et désordonnée. Et hier, paraît-il, qui a dit, moi, je n'ai pas écouté le discours, je vais pas perdre mon temps. Hier, il paraît qu'il a dit qu'il faut que les gens arrêtent de construire sur les... Mais on est dans quel état Où est l'urbanisme Où est la DESCOS Les services des impôts qui font les lotissements Où sont tous ces gens-là Et un président qui s'élève qui dit, oui, vous savez, vous pensez qu'on construit une maison en une journée il faut au moins six mois. Et comme ici les gens n'ont pas de, moyens, ils construisent sur des années. Tous les services de l'État passent, ils regardent. Quelquefois, ils viennent pointer, les gens donnent quelque chose, on dit d'accord, continuez. C'est la faillite de l'État du Sénégal. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la construction anarchique des, grands, des grandes infrastructures, sans articulation avec les plans d'urbanisme et d'assainissement. Regardez les dégâts que le terre est en train de causer aujourd'hui dans certaines zones. Aucune communication avec le truc. Le BRT fait la même chose. C'est ça la vérité, mais ce n'est pas un problème de pluviométrie. Il cherche de faux alibis. Il n'a pas plu une pluie exceptionnelle. Nous qui avons grandi dans des zones de pluie, moi, quand ce qui s'est passé le dimanche, j'étais dehors, parce que ce n'est pas une pluie pour moi. Il n'y a pas encore une pluviométrie qui puisse justifier cette situation. C'est la faillite de l'État et Macky Sall doit l'assumer. Il doit l'assumer parce qu'il a travesti les priorités. En 2012, quand il y a eu les inondations, il a appelé son conseil présidentiel, il venait de s'installer, et il a annoncé plus de 750 milliards pour régler définitivement la question des inondations. Je peux dire qu'au jour, au moment où on parle, nous avons examiné le document de l'ONAS. Nous avons examiné le programme du projet, qui sont les deux plus grands. Je peux vous dire qu'au moment où on parle, ils n'ont même pas injecté 200 milliards. Et ce qui est effectivement mobilisé, qui figure dans le document de l'ONA, c'est 48 milliards sur 750 milliards ou 767 milliards. Deux questions se posent à partir de ce moment. Ce qui a été fait, ça a été fait dans quelles conditions Où est-ce que l'argent est passé Parce que nous savons que ici, et sous la gouvernance de Macky particulièrement, tout projet, tout marché public c'est pour bouffer de l'argent. C'est pour détourner les deniers publics. C'est pour s'enrichir par le biais des surfacturations, par le biais des détournements d'objectifs. Nous le savons tous. Et souvent, les rapports des corps de contrôle sont là pour le, pour le Même l'agriculture, vous avez vu ce qui s'est passé avec le contact. Il ne laisse rien, aucun domaine. Même les pauvres, le pauvre gibier est, aujourd'hui vandalisé et détourné. Euh, on a parlé des Borix ou je ne sais quoi. dara donc il faut qu'ils nous disent et c'est pourquoi la coalition Jopna a réclamé ce audit et deuxièmement la question que les populations doivent poser ou le compte qu'on doit réclamer à Macky Sall pourquoi à un moment donné à partir de 2014 il a abandonné totalement l'assainissement qui n'est plus une priorité dans le budget du Sénégal pourquoi il a abandonné l'assainissement et de ce fait abandonner les populations en même temps à leur propre sort. Je veux que toutes les populations inondées, si demain Macky Sall vient vous voir pour dire qu'il vient compatir, sachez qu'il est le seul responsable de votre situation. Il vous a abandonné et ils ont détourné les moyens parce que, simplement, il est là pour les intérêts étrangers et non pas les intérêts du Sénégal. Or, ces intérêts étrangers-là ne sont pas dans l'assainissement, ils ne sont pas dans l'enseignement, ils ne sont pas dans l'éducation nationale, ils ne sont pas dans la santé publique, ils ne sont pas dans la création d'emplois. Ce qui intéresse ceux qui donnent l'argent à Macky Sall, dans des conditions léonines, c'est-à-dire en défaveur de l'intérêt du Sénégal, avec des intérêts exponentiels, ceux-là, ils lui donnent et lui disent voilà ce que tu vas faire et tu vas donner le projet à mes entreprises, exonérer d'impôts, ce qui fait que le Sénégal n'y gagne absolument rien. On laisse des infrastructures ici, de, le terre, depuis combien d'années on dit le terre, le terre, le terre Bientôt, on sera plus de 2000 milliards engloutis par ce terre-là. Ces 2000 milliards-là auraient réglé tout l'assainissement du Sénégal. Macky Sall ne connaît même pas les priorités du Sénégal. Et ensuite, dans son argumentaire, il veut nous faire croire que cette situation est due à un changement climatique. J'ai dit tantôt que gouverner, c'est prévoir. Depuis des mois, depuis le mois d'avril, au minimum, tous les organismes régionaux, sous-régionaux, continentaux et même nationaux, j'ai cité tous ces organismes tout à l'heure, les rapports sont disponibles, avaient alerté sur euh, l'hivernage 2020 qui serait un hivernage exceptionnel. Mais Macky Sall cure. Il dormait, comme il a l'habitude de le faire. Et il se réveille maintenant pour convoquer des réunions, parler de 10 milliards de plans sec, Parce que eux, dans leur tête, le Sénégalais, il faut simplement lui donner du riz. S'il y a du riz, de l'huile et du thé, le Sénégalais, il est anesthésié. Et les gens vont continuer à souffrir jusqu'à quand Uniquement parce qu'on a un régime incompétent, totalement corrompu, jusqu'à la moelle. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. J'attire l'attention pour dire que ces mêmes organismes, tous spécialisés sur ces questions-là, et qui ont fait des prévisions qui se vérifient aujourd'hui. Ces mêmes organismes avaient alerté sur la menace agricole, l'invasion des criquets pèlerins. L'hivernage peut causer des dégâts en milieu urbain, mais il est très utile en milieu rural et aujourd'hui nous avons une excellente saison et on espère une excellente récolte. Quelles sont les dispositions que Macky Sall a prises pour, que, pour faire face à cette invasion écrivaine Il ne faut pas qu'il vienne jouer l'étonnement encore. Un président qui n'est au courant de rien et qui après convoque ses collaborateurs pour soi-disant piquer des crises. C'est extraordinaire. Ça ne se passe qu'au Sénégal. Je n'étais pas informé. Alors qu'il savait tout de bout en bout. Après, on cherche des boucs émissaires. Je terminerai pour dire que dans ce contexte particulier, je tiens à préciser la position de notre parti, la position de notre coalition. Nous considérons que, conformément à ce qu'il avait fait en 2012, en supprimant le Sénat et en réorientant les crédits alloués à, cette organisation, à cet organisme pour la lutte contre les inondations, il doit le faire pour le Conseil économique, social et environnemental, il doit le faire pour le HCCT et il doit le faire pour euh, le, le, Conseil pour le dialogue social et bien d'autres. La liste peut être plus longue. Ça permettrait de mobiliser peut-être 30 milliards, 50 milliards, plus important que ces 10 milliards insignifiants. La deuxième chose, nous nous considérons que dans ce contexte particulier, puisque nous parlons même de dissolution d'institutions, il est inacceptable que des acteurs politiques soient dans des discussions pour créer d'autres institutions, simplement pour donner des sucettes à des, acteurs politiques, et cette fois-ci de l'opposition. Il est indécent de parler de statut de chef de l'opposition avec un budget. Certains parlent de 2 milliards, je ne sais pas si c'est vrai, mais un député l'a affirmé publiquement, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais il est indécent aujourd'hui. C'est quoi un chef de l'opposition Il est chef de qui ou de quoi moi, personne n'est mon chef dans l'opposition. La preuve, ma démarche n'est même pas la même que, beaucoup d'opposants. Je ne demande d'autorisation à personne et personne ne parle à mon nom. Et personne ne parlera jamais à mon nom. Donc, chef de l'opposition, il est chef de quoi De l'opposition de Macky Sall ou de l'opposition à Macky Sall Donc, il est indécent aujourd'hui de parler de budget pour un chef de l'opposition. Troisièmement, nous considérons que la décence interdit dans ce pays que des gens osent parler de troisième mandat. Tous ceux qui parlent de troisième mandat méritent la prison. Parce que c'est des pyromanes. Je ne parle même pas de l'aspect constitutionnel. Nul ne peut faire deux mandats consécutifs, c'est du français. Nul ne peut faire deux mandats consécutifs. Quel monde toftal, un mandat Toftal. <laughs> Mais, sur mais je ne parle même pas de ça. Je dis, si on confie un pays à quelqu'un, il fait sept ans avec zéro bilan presque, à part emprisonner et radier des opposants. Zéro bilan. Pas de bilan en création d'emplois, pas de bilan en assainissement, pas de bilan en santé. Demandez combien d'hôpitaux ont été construits, combien d'universités ont été construites. Rien. L'université virtuelle, c'est pire, pire que virtuel, ça ne marche pas. Saloum, on n'en parle pas. Amadou rien. Vous ne pouvez pas nous mettre un bilan. Vous êtes à trois ans de la fin de votre mandat. Vous avez, vous avez fait cinq ans plus deux ans, ça fait sept ans. Sept ans plus 2, 9 ans déjà. Il vous reste trois ans. Aucun bilan et les gens osent parler de troisième mandat dans ce pays. Parce que ces gens, ils pensent que le pays leur appartient ou bien ils l'ont hérité de leurs parents ou je ne sais quoi. Moi, nous en tout cas, ce qu'on veut dire, on le dit et on engage tous les Sénégalais. Et on le dit à Macky Sall particulièrement. Au soir de, l'élection présidentielle de 2024, il ne sera plus président du Sénégal. Ça qui se le tienne pour dit. Et après, il va rendre compte. Lui et tous ceux qui sont autour de lui. Ils vont rendre compte. Certains me disent, oui, il ne faut pas faire ce discours, il faut le rassurer. Il faut le rassurer. Un jour, j'étais avec le président Blaywat, il me dit, euh, un jour j'étais à Versailles, j'étais entendu dire, il sera le premier président qui va en prison. J'ai dit, oui, il me dit, ne le dis plus. Il faut poser le débat, il faut, il faut rassurer, parce que celui qui a le pouvoir, il a les moyens, il peut s'attaquer à vous, etc., Je le remercie pour ce conseil, très sage. Mais sur ce point, je ne suis pas très sage. Je considère qu'on n'a aucune garantie à donner à personne. Quand on a s'est fatigué pour avoir le pouvoir, en promettant moins et merveilles, on fait pire que ce que les Sénégalais ont combattu corruption sur corruption, escroquerie, détournement des deniers publics, vendage de, toutes nos ressources aux intérêts étrangers. Il faut accepter après de présenter euh, des comptes. Si c'est ça qui doit faire qu'il s'agrippe, il va s'agripper, mais il nous trouvera ici. Il ne sera plus président de la République, Inch'Allah, en 2024. Parce que ce pays ne l'acceptera pas. On ne peut pas continuer avec ce monsieur-là. Et je tiens à dire aux Sénégalais que nous ne sommes nous dans aucune discussion, aucun contact nous ne sommes intéressés par rien concernant Macky Sall et son Nous sommes dans un combat, opposition ferme, radicale, contre un système qui a bousillé ce pays-là et ce système-là, nous voulons l'enlever d'ici en 2024, au plus tard. Mais en attendant, il y aura des échéances électorales du moins. Nous exigeons que le calendrier républicain soit respecté. Qu'est-ce que les maires ont fait dans l'hôpital différentes localités on a repoussé, repoussé, repoussé. Jusqu'à quand Il faut qu'en mars ou avril 2021, les élections locales se tiennent. Et l'argument de l'audit du fichier ne peut pas justifier un report. C'est l'opposition qui a demandé l'audit. On commence l'audit. Si l'audit se termine avant, si ce n'est pas le cas, on va avec ce fichier. Parce qu'avec ce fichier, Baki sera battu. Nous exigeons contre la tenue à date élections des élections locales, la tenue à date des élections législatives de 2022. Parce qu'on ne peut pas admettre un député élu pendant 5 ans à applaudir l'Assemblée, à la fin du mandat, on dit on va mettre 2 ans de plus. Sur quelle base Parce que l'objectif, une fois, et je tiens à le dire au peuple, une fois qu'on accepte un seul report, c'est-à-dire le premier, comprenez que les autres sont reportés. Et dans le cadre du dialogue politique, les magouilles, c'est de dire rationalisons les élections on va faire deux élections par année, ce qui fait qu'on aura deux ans, quatre élections, parce qu'on ne peut pas faire chaque année une élection. Nous, nous disons oui, mais à partir de 2024, après l'élection présidentielle, on pourra rationaliser. Mais il n'est pas question de toucher au calendrier tel qu'il est aujourd'hui. Donc, voilà les quelques éléments euh, de, communication que nous voulions partager avec les Sénégalais. Nous allons vous Oui, non, la commission d'enquête, c'est vrai que nous entendons souvent les, gens, la société civile, les Sénégalais, nous réclamons une commission d'enquête parlementaire, comme si on avait une assemblée nationale. On parle de quel député Des blancheurs d'escrocs. Ces gens-là vont faire une commission d'enquête parlementaire pour épingler Macky Sall. Ce sera peine perdue. Je veux dire aux Sénégalais que tant que Macky Sall sera président de la République, il n'y aura pas de transparence dans ce pays. Il est le parrain il est l'alpha et l'oméga du système de corruption au Sénégal. Je l'avais dit ici dans cette salle. Il est le protecteur. Dans la Constitution, on dit il est le gardien de la Constitution et le protecteur des arts et des lettres. Il faut enlever tout ça et dire il est le gardien et le protecteur des, corrompus, des escrocs, des détourneurs de deniers publics dans ce pays. Vous ne pourrez jamais avoir un résultat de transparence avec Macky Sall tant qu'il sera dans, à la tête de ce pays-là. Donc euh, voilà les quelques éléments. On va, s'il y a quelques questions, mais pas beaucoup, nous allons y répondre et puis vous libérer parce qu'il fait euh, je crois bientôt café prix. Ousmane Sonko maa ngi lay nuyu bu baax euh, di leen di jaajëfal vous bi nga xam ne nga ko mu nekk eh, conférence. je damay présenté wu. Je bu ñu jox Je nga présenté wax ban wax euh, yow yaa jëkkoon nga euh, maa ngi tudd Aline Diop nekk euh, si chaîne bi nga xam ne mooy Laalune TV question bi may laaj président Ousmane Sonko mooy ginnaaw bi nga xamante ne jafe-jafe yi am na fii si Sénégal lan mooy li nga xamante ne mooy solution bi nga mën a proposer sénégal yi que boo jëlee réew mi inondation yi dina fi jógee incha allah te doot fi amati asalaamaaleykum wa rahmatulah. Pape Moussa Sow la Dakar waa 221. Euh, président Ousmane Sonko wax nga ne euh, audit soxla nañ ko ci programme décennal bi nga xamante ne nee nga baaxul te wax nga ne problème cycle la donc mën nga xaw a jege tuuti Macky Sall sax ne aléa climatique la comme que problème cycle la yow est-ce que prévoir nga ko parce que seen i candidat nga woon. 2020 est-ce que xalaatoon nga ne lii dina xam ak ban solution nga ci joxe woon en tant que député ne nga euh, commission d'enquête parlementaire mënul am ñu ne kon yow ndaw askan wi askan wi di la fay lan ngay defar ci institution bi nga xamantene yow ne nga amul benn njëriñ mënoo leen jouer sen rôle de contrôle de l'action du gouvernement est-ce que amati na njëriñ yow Ousmane Sonko nga fay toog di fa fay di ci jëm euh, ak privilège te ne institution bi amatul njëriñ euh, euh, vous avez donné votre position. Votre position est tranchée par rapport au statut du chef de l'opposition. Mais euh, force est de constater que tel n'est pas le cas pour tous les partis de l'opposition. Est-ce qu'à la longue, vous n'allez pas être isolé par rapport aux autres partis chefs de l'opposition euh, merci. Moi, c'est Babacar Touré du journaliste Quotidien. Euh, la coalition de réclame un audit euh, du programme de scénario des inondations, mais pour vous, dans votre déclaration, semblez ne pas faire confiance à une commission départementale. Alors, ma question est de savoir qu'est-ce que vous proposez pour que un audit soit fait Dernière question.

ban solution la ñuy proposé le programme jot le programme jot na bi présenté woon ñun volet assainissement wax nañ ci lu bëri balaa boobu sama livre bu ma bindoon man tuddee ko solution pour un programme nouveau def nañ ci de large développement ci euh, assainissement may wax ni amuñu problème diagnostic il faut que ñu ñu ñu comprendre baax ñu wax ñu nak Macky amuñu problème diagnostic parce que service technique état boo ko yore da ngay da ngay da ngay da ngay am tous les services techniques ñuy liggéey yow nga mëna sax wo des expertises externes ño xamné duñu état privé lañu muy privé national muy privé international. diagnostic bi buñ ko défé diagnostic bi man tay suma suma su def diagnostic bobu laay jëlaat parce que diagnostic bi baxna wax nañu situation inondation Sénégal yépp génné les villes aligné leen sax trois catégories villes yi nga xamné am nañu plan directeur.

kon kuy ah, ku am dégg-dégg dama ne tey suñu defoon li ñu wax ni moom la ñuy def du ñu am inondation yi sur la base du plan qui est là mën naa leen ko jox su ngeen paree ngeen lire ko sur le la base du plan qui a été élaboré par les services techniques et sur la base du budget bi ñu waxoon nga xam ne dugaluñ ci sax 6 pour cent imagine su doon 100 pour cent ou comme ñu ngi en un an et demi moo des su doon 80 pour cent du budget dugal nañ ko ci inondation yi foog nga ni dañu am inondation yi

quel que soit l'hivernage bu am li ce a def diggé dañ koy prévision ou pas parce que les ñuy def li c'était prévision là, parce que prévision bu bu lalu ci ci inondation 2012 météo dans le trop Sénégal téléthon yi Sénégal euh, supprimer l'agence agence nangam nangam donc loolu ñu def première année 2012 première année 2012 2014 nous avons nañu 32 euh, milliards de 32 milliards vous ñu que 2014 2016 nous def 8 milliards 2017 2022 ñu def 8 milliards euh, donc nous avons arrêté tax à un donné ñu arrêté les doon def problème maintenant qu'est-ce que je fais à l'Assemblée nationale

donc man la ma war a def assemblée li taxoon ay nit wóolu ma ba yóbbu ma fa maa ngi koy def te amul sénégalais bu ko mën a wér gëw ma ko bokk boole kook salaire bàyyi mu assemblée nationale waxuma ko pour bàkk waaye ku jël deux tiers ci salaire jox ko ay œuvres philanthropiques xamal ni du salaire ñay séddoo xaalisu assemblée nationale di séddoo caisse noire bi di séddoo mission yi tout le temps ñi ngi entre deux avions député am na député yoo xam ne sax dañuy dem Dubaï remplir seen i conteneur ñëw di jaay biir assemblée sax léegi dañ fay jaay am na ñu fay commerce ñooñu ngeen war a laaj lan la ñuy def assemblée nationale mais man li may def assemblée nationale askan wi gis euh, euh, Ndiaye nee na ndax ñu ragaluñu isolement soltu woon naa question boobu fii ci bële passé ñun dañoo judd ci isolement màgg ci isolement ñun isolement tiitaluñu parce que nous sommes ñu ci politique moy politique nekkal ci dëgg di di wax ndax kenn nañ ci ñu loxo d'ailleurs ñu ngi coalition c'est la coalition qui communique yéen a ngi coalition jot la yéen couvrir de Nous coalition ak parti kon nous te ñu ngi continuer yaatal te nag ngi ni dañuy jóge fu ne ci parti di ñëw ci ñun gisaguma ku jógee ci ñun dem ci parti kon ñun suñu weetaay gêné wuñu parce que dañoo problème problématique système amul kuy bokk ci système koo xam ne di nga di nga di nga bëgg a xam nga soo seetee élection présidentielle bi li xew lu bëri foo ko dañ fan la ñuy jóge diig ñun kenn dootul wax suñu affaire parce que même ay nit yoo xam ne en apparence nous avons beaucoup ñoo discours mais bi avons choisi la grande coalition Nous avons ni rek avec 1 et puis kenn nous tudd askan que nous sommes leneen te loolu mu ngay continuer Nous ci rythme ñoo nous nous, nous, restons ouverts à tout le monde mais nous avons nous parce que nous je préfère marcher seul que mal accompagné te askan wi kenn ngi ngi ngi c'est pas problème ci problème bi ci question bi opposition bi am nay position waaye a suñu position wéetuñu bi ne ñun jël position ci parce que am ñu ne ñu ma lan a suñu position d'abord a une position du pour ànd ak Massamba wala xeex ñun ci principe am na né ne Sonko vote diw wala Sonko combat diw déedéet ñun dañu né ben, japp nañ ni échelon bi gëna pertinent mooy échelon législatif élection législative parce que élection législative ngay génn ñu né ki amna nangami député ki amna nangami député dem len assemblée nationale gën def fofu du dialogue politique yéenay voter les lois yéenay voté euh, euh, le le budget yéenay contrôler l'action du gouvernement ainsi de suite kon force le débat démocratique di pendant cinq ans dans dans dans les régimes yi mu am li ci c'était, qui seetee ci assemblée nationale peut jouer. élection présidentielle y dem des élection mais le président moo Nous avons mënoo élection président bon j'ai un statut d'ancien candidat donc man maay ben le président a am ñeneen ñëpp dem takkuwaat préparer beneen élection kon nous mënoo laajte statut foofu ñaareel ñu quel que soit échelon vous dire parce que nous ça nous intéresse pas tey suñu ma le chef de l'opposition je suis leen parce que moi, beaucoup je ne veux pas être décrété chef de quoi que ce soit Vous ne kon bu mënul ñàkk ba mënul dire. quel que soit échelon bi ñu Nous mënul rétroactif parce que constitution des fois, dañ ko voté en 2001 2001 on Abdoulaye njëkk que les droits de l'opposition 2016 ñu def référendum ñu yokk ci quelques points mais nous, avons voté une loi pour dire qu'il la war donc sous le 2020 wala 2021 nous avons voté une loi loi pour à partir de prochaine élection les gens a entrer en vigueur pour dire que l'élection est passée. C'est ça notre position et nous l'assumons ce n'est ni pour Massamba ni contre Mademba et ça bu dee loolu la ñu war a wéet ci euh, euh, Touré nationale enquête parlementaire ak audit beaucoup audit dafa am des euh, des entreprises spécialisées qui audit Nous avons des audits. L'Assemblée nationale ay audition lay def On a des mais nous mu demee dégg On a des après la coalition jot na des ñu audit mooy nañu cabinet indépendant national ou international Nous avons des audit nga xam ne politique du c'est des techniciens purs sur durs Pour des comptes bien ngeen di rapport mais pour des comptes day jël ay auditeurs ñu def audit ñëw jox leen ñu avons ñoom li rapport c'est ça qu'on a dont on a parlé mais vous avez assemblée nationale avec c'est politique nous avons mos a majorité bi un rapport pour enfoncer sa sa sa sa sa sa sa propre coalition ou son propre parti alors dernière question bi dafa vous donner forcé ne day nek candidat nangam na li ma ci yàgg tontu moy benn c'est le combat du peuple dafa am lo xamné du combat Ousmane Sonko pris isolé man dama gëm ni peuple Sénégal fi mu tolni mo moo mënatul nangu te li may dégg li gis partout mag ñi ndaw ñi góor ñi jigéen ñi le discours est le même lané le peuple te xam ni moom Macky Sall su toogee palais renseignement généraux jox ko ay bulletins xamna na le peuple nga xalaat est-ce que fii ci salle bi fi ñi fi nek muy journaliste muy militant muy keneen est-ce que amna na kenn ku mëna nangu tay ni Macky Sall dafa war déposer troisième candidature peuple bi ci bopam moko nangul donc c'est un combat du peuple conseil constitutionnel ak ñom seen xam nga ce pays là dafa amul justice justice peut-être justice des voleurs de poulet amna Aigu ak yu demee noonu soo waxee ñu ne tribunaux yaa ngi dox moy lolu moy tribunaux des gens ordinaires mais dès qu'on parle de l'État la justice euh, euh, disparaît. C'est justice finir wax état de droit mooy un système où l'état est soumis au droit donc fii soo des Macky Sall wala nga de rek justice amateur. cour constitutionnelle il waxoon naa ko à ci ak jamono présidentielle réew mu tàkk ci Afrique cour constitutionnelle yi bokk nañ ci ci ñu ko taal te responsabilité Moi, moo Mali bi problème bi amé, li ñu njëkk a réclamé c'était c'était dissolution cour constitutionnelle

livre je crois que livre je crois que tontu naa question yëpp ñu ngi leen di gërëm sant ñoo ngi ci bu soobee ci fan yi rek dina am luy luy gën jërëjëf jërëjëf ñu ngi leen